Message received. Gidan ƙaramin ce ma wai kira ga tare min wai ni na tsani irin inga wa da message kuma na wuce bai wuce san valentine. Gidan gidan matsala ta gudana ta cika ni kuma ni kullum fu RDV na ta kai ne. Ba kai ba ka sa kan soyayya. Love. grand frère, je, l'aime, je l'aime trop. Hein. Je l'aime jusqu'à ce que mon tête, là, cerveau commence à griller, griller. aujourd'hui aussi j'ai du mal à imaginer Regarde ces trucs là. Eh, eh oui Eh aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est un autre Allo bébé, je suis à la porte Ouais, c'est beau. Sans parler, c'est beau. Eh, eh, le monde part en couille. Zaten senin idan ma layi da da ce dai. Sama sama sai kuma matan sun falanta wuri. Attention ça c'est emballage 15 000 c'est qui a vu dans la shiri ture umbura ne ne kuma dai kwa. A son irin mutafu ne wala? A'a wani ban nuna ne dangwai kai ko sana ai ba ne na har akwai. on mamunu ne dangwai. Har da yaran problem wurin ne ya

Ele manda para aqui. Alô, Yusha. Oui, nous, il faut aller quelqu'un não, não Oui, non, non, bébé, non. Attends, attends, attends. Bébé, je l'avais dit de mettre beaucoup de Pas que

wanka sai da mai gabai kan cimin ba ai gabai ne an yi wani zagara ga kawo san valentine baby da ke tishe ta apel annabi sabu wani baby no no n'oublie pas mon san valentine ne da tarmu ai kan san valentine definition ne da sabai ta ce wan wan wan jusqu'au matin c'est pas ça mun ta ganin sai no cici ai wo zar kware no ne ki zar kware ha 17 heures mon ne sem ka 17 heures o ingo ni préféré am ka 22 heures là